mu a fada barkanku da haka barkan da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mai ƙayatar da ku wanda a yau ni fanta shamsu na ni gabatar. Yau a cikin fadar ta za mu karkata akalar mu ne akan tun zarafin mutane akan yanar gizo wato da cyber harcèlement on va parler du cyber harcèlement et du harcèlement sur les réseaux sociaux wanda wannan wata ɗabi'a ce wacce ke ƙara yaɗuwa sosai a wajen matasan da ke amfani da yanar gizo. Ça prend tellement d'ampleur chez les jeunes surtout sur les réseaux sociaux. Selon l'UNICEF a cikin wani binciken da suka gudanar a shekara ta dubu en 2019, ils ont fait une enquête qui s'est basée sur 30 pays. Ils ont dit un jeune sur trois dit avoir été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et un jeune sur cinq déclare ne même pas pouvoir aller à l'école à cause du cyberharcèlement. Wato dai abun da ake nufi shine idan cin zarafin yayi kamari hatta lokol yakan iya hana zuwa. Musamman ma yanzu da za ku ga dan abu kaɗan ne mutum za yi a dauka a yi ta yawo da shi saman kan eh, shafukan sada zumunta. Daga ina wannan dabiyar ta dauko asali yaya take faruwa? Wai qu'on va en parler aujourd'hui dans Tout ça la Fada et ces 35 minutes d'échange avec nos invités de musique et de chronique. masauraran mu yau mun ya da zango ne a filin shakatawar nan da ke unguwar Chateau 1 domin tattaunawa kan shi mu na wato le cyber harcèlement ou le harcèlement sur les réseaux sociaux. Yau muna tare on vous a invité quelques jeunes avec lesquels on va en parler j'ai à ma droite. Aboubakar Bizorachida. Ok, de quelle consultatif nigérien des enfants et jeunes. Moi, c'est Babs Magaji, je suis écrivain, chroniqueur web. C'est Boubacar Suleiman Rabi, je suis euh, communicatrice et syndicaliste. Moi, c'est Suleiman Bra, je suis journaliste spécialiste de vérification des faits et expert des médias sociaux. Ok, bienvenue dans tout ça, la FADA. La première question, c'est le cyberharcèlement. Qu'est-ce que c'est Donc, je vais passer la parole. Chacun va me donner selon lui, qu'est-ce que le cyberharcèlement ou le harcèlement sur les réseaux sociaux. Rachida, on commence avec toi. D'accord, euh, merci bien pour la question. Donc, euh, selon moi, euh, le cyberharcèlement, c'est le fait que qu'une personne publie un message ou un contenu et qu'une autre personne se permet soit de critiquer ou bien d'insulter cette personne-là sous sa publication, ou bien qu'une personne se permet d'envoyer des messages de façon continuelle à une autre personne sans son consentement, une personne qu'il ne connaît même pas. Donc euh, pour moi, le cyberharcèlement, ça se résume à ça. Et vous, Abakar Magaj Alors moi, je pense que ce qu'elle a dit, c'est correct. Le seul ajout que je vais faire, c'est que c'est ce droit que pensent avoir soit les abonnés ou bien vos amis à disposer de, votre vie comme ils veulent, sous prétexte que vous avez, vous avez décidé de, de créer un compte Facebook, Instagram, Twitter ou autre, juste pour être sur les réseaux. Les gens pensent qu'ils doivent tout dire, ils doivent vous parler sans langue de bois, alors que ça n'est pas forcément le cas, je me dis. On revient avec vous, Rabi. Rabi, c'est quoi le cyberharcèlement euh, Selon moi, le cyberharcèlement, euh, c'est le fait euh, surtout d'envoyer des images ou des messages non commode à une personne dont des fois on ne connaît même pas, euh, qui n'est pas de notre connaissance. On revient donc avec l'expert. Est-ce que leurs avis tiennent la route Oui, ça tient la route. Euh, Kamal yadda kuka tambaya, shi wannan sibar harsalama daga kun ji ma sunan harsalama kenan akwai akwai eh, akwai wata mummunar akwai wata akwai wata mummunar manufa a ciki. Shi kuma wannan abu mutum guda iya yi ko kuma wasu gungu na mutane suna iya Tana yawa bisa kan harkokin Facebook ne, Twitter ne, duka dai abin da ya sahi wannan harkokin sadarwa na zamani wannan shi kuma wannan mutumin da niyya ne fiske sai intentional mafi yawa ana so ne a ci zarahin mutumin kuma tana iwa ko yaro ne ko mace ce ko namiji ne amma kamar yadda kuka hwaɗi da fari yara da mata sun samu kansu a cikin irin wannan yanayin tun da ke kana iya kasa hotonka a cikin eh, facebook ko wani whatsapp sai ka ga an ɗauka ko an tura shi wani guri inda baka tsammani ko kuma an ɗauke shi an ba shi wata manuwa wanda ba irin ta ba sai ku ga kin sa hoton ki bisa kan cikin profile kinki tana wa matar amince matar amince sai a miki mummunar fahimta ka ga ana wasu zance ku da ƙasa ana wani komantar kai har da ko wanda suke zuwa har suna da ragen matan arme to yanzu kuna iya kwatanta muna kaka yake faruwa wannan rabi in abin ya taɓa samun ki kaka yake farawa kuma ina yake dosa da farkon abin da ni da ya same ni lokacin ana abin zaɓe na jami'a Abdul muni da na hito takara to kun san yanzu maza yadda suke yin ana so a karya ma mace guwawu sai a rika mata mummuna fahimta mm. ana mata lakani da sunan da bai dace ba to ni a haka ne sun ɗauki lambata cikin group na whatsapp hakan ga sai ana mini ana turo mini bidiyo wanga da bai kamata ba na batsa da hotuna da basu kamata ba hatta kai akwai ma masu mini apel na bidiyo da ke lokacin kan in gane in na daga sai in ga kawai namiji ne zir aiwa uwa shi yana wannan in na kashe sai a ce ke da kike takara ki ce muna baki taba ganin namiji tsirara ba a lorke ba haka nan bane tunda rayuwa ba dan ka yi abin da maza ke yi bane ka tsaya takara kamar maza za a ɗauka kamar kawai eh, irin matan nan ne masu ya da mutuncin kansu abin dai babu daɗin shi babu daɗin shi wallahi ebu eh, abubakar mangashi Moi, je pense que le cyberharcèlement, c'est vraiment pas qu'une question de femme, homme ou enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup, comme elle vient de le dire, il y a ces personnages publics qui ont décidé peut-être de créer pour être plus euh, à côté de, de, de, leur communauté, par exemple. Il y a des gens, ils pensent que ça leur donne ce droit, en fait, d'être plus proche de vous. Ils se permettent de vous envoyer des, des nudités ou carrément causer avec vous comme si c'est ce sont vos amis, alors que c'est vraiment pas vos amis. Ce n'est pas parce que je suis avec toi sur les réseaux que je dois tout partager avec toi jusqu'à dans mon intimité. Ça aussi, c'est vraiment de l'harcèlement, mais pour certaines personnes, ils pensent que c'est du fanatisme en fait. Mais ça n'a rien à voir, c'est carrément de l'harcèlement et ça peut conduire, et ça a même conduit par exemple des artistes, des, des, des politiciens au suicide et consorts. Donc je me dis que si ça peut arriver quelque part, c'est que ça peut aussi arriver chez nous ici. Rachida, comment ça se passe de votre côté Le harcèlement, comment Est-ce que vous en avez vécu Vous avez des anecdotes à nous raconter ah, J'en ai plusieurs. Bon, si je commence, est-ce qu'on va terminer <laughs> Alors, quelqu'un bah, <laughs> voilà. Euh, vous savez, euh, en tant qu'activiste sur les réseaux sociaux, donc euh, parfois, je me rappelle un jour, on était en train de, de, mener une campagne sur les réseaux sociaux contre les violences basées sur le genre. Et euh, en publiant, j'avais tagué quelques organisations. Donc, comme j'avais tagué quelques organisations, il y avait une amie qui avait bien voulu partager la publication. Et il y a un monsieur qui commente et dit féminisme alimentaire. Il dit féminisme alimentaire justement parce qu'on avait tagué des organisations. Donc, en taguant ces organisations, lui, automatiquement, dans sa tête, c'est que on cherche de l'argent ou on cherche à manger. C'est des choses qui, euh, ça arrive très souvent. Et euh, ce qui fait mal, c'est cautionné par des hommes qui sont intellectuels. Parce que vous allez voir des hommes euh, qui, pour eux, une fille ou une femme mariée, ils disent qu'elle ne doit pas être sur les réseaux sociaux. Mhm. Pour eux, c'est ça. Donc, ils ne prennent plus Facebook dans un domaine professionnel, mhm. mais plutôt c'est un endroit de loisir où on vient à chaque fois s'amuser, publier des blagues et autres. Alors que Facebook, c'est un réseau social. Ça nous permet d'atteindre plusieurs personnes. C'est un réseau sur lequel on valorise nos activités. Et ça permet aussi que le problème que vous exposez, que l'organisme puisse en faire sienne et combattre dans le même sens. Parce que euh, nous, nous avons mené une campagne qui s'appelle Free to be online, pour les filles libres d'être en ligne. Mhm. Parce qu'on s'est dit qu'il n'y a pas de raison à ce qu'on nous interdise d'être là-bas que chacun partage son avis. Si vous êtes d'accord, ok, je suis d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous passez. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. <laughs> Alors je reviens, je reviens avec vous. wanda a kansu aka fi wannan ta cin zarafi yanzu mu a nan Nijar muka ɗauka mm. wanda aka yi aiki da su wannan guda biyu ne Facebook da wannan WhatsApp shi Facebook kamar in kwantikin ka ne naka na kanka kenan an baka dama halka yi hulɗa da mutum dubu biyar amma kana iya karayan page wanda wannan page kin tana iwa ko ta kungiyar ka ce ko kuma ita rabu da take communicatis ko syndicalist ko kuma ta ma'aikatar ka ce ko ta wani abubuwa sai ka ga kana tare da fili kusan dubu ɗari biyar ma mutane wanda kuke hulɗa da su a duniya mm. to a irin shi ne sai ka ga wani saboda dandalin ne na duniya in ka yi abin da bai mushi ba sai ka ga a cikin wannan aniyar tashi ya zo ya waɗi abin da ba shi ba kuma sai ka ga shine wani abin yake kawo wannan kin muhawarar hatta ga ana zage-zage mm. yanzu yau sai ku gama kina gidanki kama ta zancen kwanta professional kina gidanki kina aikinki ko babban ma'aikaci sai in ji ka sa hotonki sai ki ga in biki samu ba wani namiji ko na yan wanki wanda za su gane wannan hoton naki an sake mushi wani yanayi ko an shi wani bidiyo kai an zo an sake a cikin bakin duniya ita yanzu misali da wannan misali da ta bada tana cikin wannan communication kin da wanda yake rayata wannan sai ai yi a risire kuma a kanta a duniya a ce ga ta nan ai ita ma ele complice bata ci bata sha bata ci bata sha ba sai qui me ramène vers vous Babs vous aurez une page avec beaucoup beaucoup d'abonnés c'est ça alors quelle attitude vous adoptez quand vous êtes harcelé ou quand l'un de vos abonnés se fait harceler sous votre compte bah, écoutez moi déjà quand j'ai commencé cette histoire de page Facebook. Je me suis dit, j'ai pas droit à faire ami-ami avec les gens, franchement. Parce que c'est de là que les problèmes partent. Il y a des gens qui sont obsédés, franchement. C'est ça dépasse la limite de l'harcèlement, carrément de l'obsession. Et on a beaucoup d'exemples ici. Moi, j'ai déjà perdu une amie comme ça. Elle a été harcelée, harcelée jusqu'à ce que c'était devenu une obsession. Le monsieur, il l'a prise, il est parti, il l'a assassiné. Donc, c'était, c'est compliqué en fait. Surtout quand vous êtes, vous vous dites

声音。 in ɗauki lamba to yanzu aka ce bincike bai da kyau yanzu da abin yayi nisa sai muka gane da kamar akwai mutane ba ma maza kadai ba mata wanda nike tare da su su suka ba da lamba na ake mini irin wannan aksal lamankin yanzu daga an mini in naga lamba wanda ban san shi ba na shiga naga sunan ma ban san mutunan ba kuma babu hoton mutunan sama mhm. kawai bloken mutunan nike in shiga in shiga harkokin gabana eh rashida ke la tutu vous avez adopté vous aussi quand vous avez été Euh, vous savez, euh, parfois, on a tendance à vouloir, euh, quand c'est sur un poste, on a tendance à vouloir se défendre. Parce que parfois, il ne faut pas tout le temps fuir. Parce que si vous fuyez tout le temps, vous, serez capable de bloquer tous vos amis. Mhm. Parfois, il faut aussi rester et dire la vérité à la personne. Mais d'autres fois, quand ça va jusqu'à des vidéos pornographiques, des nudes, carrément, je bloque. Mhm je bloque la personne aussi. Mais selon euh, vous, il vaut mieux confronter la personne. Parfois, il faut confronter la personne parce qu'on ne peut pas bloquer tout le monde. Surtout, moi, je me dis que quand c'est dans le cadre de votre avis que vous avez posté ou dans le cadre de votre travail, il est extrêmement important de dire à la personne ce que vous, vous pensez. Mhm. Si vous voyez que c'est une personne qui ne peut pas comprendre, bon, vous n'êtes pas obligé de continuer la discussion. Hein. Vous êtes, vous êtes libre de, aussi de, de lui dire, OK, d'accord, comme c'est comme ça que vous, vous prenez la chose, Ok, c'est bon, merci. Et, vous en allez. Donc, on, peut ignorer ou confronter, la la, confronter la, personne. Merci Rachida. Sur notre émission Tous à la Fada, il y a aussi une rubrique qui s'appelle L'artiste exprime. On donne la parole à nos artistes. C'est avec Mr. Dondi. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, aujourd'hui sur cette émission, nous allons donc recevoir l'artiste El Pololo Oko. Miguel Pedros Malatesta y Corones Cuyara Matata Vino Aldemosa, le seul Nigérien qui porte un nom espagnol, le distributeur de rire agrégé, dorénavant le garçon à lui. <laughs> Ah non, <laughs> <laughs> le garçon à l'ouest c'était avant pour le Loco. Parlons de l'artiste, euh, bien évidemment, de A à Z, pour permettre aux jeunes qui kiffent cette émission à travers les 47 radios euh, du studio Kalangu de te cerner en quelques minutes. ya maman. Ah, maman, ton fils va être partout. Ah, laisse ça, on est tes même. Ah, laisse ça. Donc, euh, à l'état civil, c'est Al-Mokhtar Ademo Amadou Al-Zouma Youssouf Tidiane Kolo ok Yamaman. maman. Yamaman. Yamaman. Tu es né en quelle année Je suis né un 22 juillet 1986 euh, à 7h30. Mon papa partait au travail. On l'a appelé le jour de la mon petit soleil. <laughs> Avant de goyer de Avant de goyer de On lui a dit, ah, ton fils est là, il dit El Polo Loco. Loco. Voilà, c'est là. Ah, il n'a pas d'El Polo Loco. Il a dit autre chose et toi, tu t'es dit Il a dit Al-Mokhtar, Al-Mokhtar Al Al est venu au monde. C'est comme ça qu'Al-Mokhtar est arrivé. Tu vois, nos maternités, Isaac Gazobi, quoi, voilà. Donc, et puis Kunchuwate. Ah, Kunchuate, mais... On va parler de tes débuts de carrière. Super. Je parle de la musique. Tu as commencé par interpréter. Tu après, un moment donné, tu as rappé. On t'appelait dans le temps Dasket. En, en fait... forme euh, Parle-moi un peu de tout ça. Bon, en euh, moi-même, euh, personnellement, la musique, euh, je suis arrivé dans, le monde de la musique en 2002. 2002. Oui, euh, quand j'ai fait la connaissance de Yazdi Mewaka de Métaphore Crew. Métaphore Crew. Voilà, donc on avait commencé au collège, on représentait le CG Centre à l'époque. avec Yazdi Avec Mewaka Avec Mewaka. Ah ouais, tu as commencé avec <laughs> quelqu'un quand même de lourd. Ouais, après, bon, on a créé un groupe KMR, Karim Mokhtar et Razak, et c'était <laughs> parti avec, ensuite c'était Fanatique avec Al Radik. Ok. Oui, j'étais resté dans le même groupe avec Al Fanatique, Fanatique. fanatique. ouais. Oui. Donc Fanatique Al-Radik, lui, il est allé en solo. Moi, j'ai rejoint le groupe Tribunal. Tribunal. Donc on a chanté Wika On va parler de tout ça dans le deuxième angle. C'était tes débuts en 2002. 2002. 2002. Et pour le coup, on sait que, donc euh, que tu as une vie, une carrière artistique qui a commencé en 2002. Et ensuite, tu as basculé en quelle année euh, De genre euh, de, du rap ou de la musique à la comédie euh, je dirais que tout a commencé en 2016 quand j'ai connu euh, mes gars de DKN. Euh, DKN DKN, Daria Kachini. Daria Kachini Ouais. De Habib. De Habib, voilà. Habib, oui, avec lequel on a. après, ensuite, moi, l'opportunité que j'ai eue pour montrer tous mes talents d'humoriste, c'est le 3 février, je crois, sans me tromper, 2016, avec Hamed. Ahmed Ousmane, Haraka Comedy Club. Donc, euh, si je suis <laughs> révélé euh, de manière humoriste, quand l'humoriste que je suis, c'est grâce à Hamed Ousmane. Bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, l'instinct est solennel. L'artiste El Polo Loco va donc euh, s'exprimer dans exactement 3 secondes. 2, 1, 0. Alors, moi déjà, je dirais euh, soyez déjà euh, fiers de vous, soyez déjà euh, prêt à vous battre pour ce que vous aimez, soyez déjà et fiers de ce que vous êtes. Et ça serait très bien de nous pousser, de nous appuyer pour que enfin le nom du Niger puisse dépasser le globe terrestre. Parce que nous, on sait qu'il y a de la matière, on peut faire quelque chose pour que la jeunesse nigérienne soit dignement représentée. Machine, Talk Amis de la FADA, nous revenons dans l'émission Tous à la FADA avec notre sujet du jour, bien sûr, le harcèlement sur les réseaux sociaux. Et on en parle avec nos invités. On a Rachida à côté, on a Babs Magaji, Rabi Bebisha et Suleiman Bra. Donc nous continuons avec nos questions. Cette fois-ci, je reviens vers vous, Suleiman Bra. Est-ce qu'il y a un genre particulier qui se fait le plus harceler Les filles ont donné leur avis. Kamar matsaurara wa ra'ayi a cikin wannan lamarin eh kamar in kuka ɗauka buma eh, ba da babayaye na duniya mai misali namu na nan kasar Nijar. Mm. In ka ɗauka mun yi zance ku da yawa bisa kan irin abubuwan da suke faruwa. Me duka in kuka kalli yadda yanayin zamantakiyar namu yake da yanayin sosai tamu take sai ku ga zance da ya shahi mu'amala ta rayuwa musamman ma in iya cewa zance na arme wannan kuna ganin shi ya ana yawan kashi a bisa kan yanar gizo wannan na rezo sosio ko na wazau wannan yan kwana biyu da suka wuce sai aka hudo wani sakamako a bara aka ce wannan babal kungiya ta addinin musulunci ta kawo da sakamako an samu a shekarar da ta gabata wajen rabuwar armi fiye da dubu uku mm. in ku kalli wannan kwana uku da suka wuce bisa kan rezo sosiokin namu wazau da facebook na sai ku ga muka samu kan muhawarar da ake ana so a ce misali matan su ne suka hi eh, lahi <laughs> suka kun gani kun kowata situation ta daban ce kuma kowane kaka ne ni na daban bai aiwa kai abin da ka da ya zo ya faru da kai ka ce shi zai faru a wajen ki ko shi zai faru a gurin wancan kuma kowane da realita kin shi kowane da isuwar kin shi ta daban kwa kowane da tarihin shi daban shi wanda yake wannan abin ya san doka musamman mu a nan Nijar kun san yau da shekara biyu en attendant babs selon vous lequel de ces genres se fait le plus harceler genre les filles les garçons les hommes les femmes les célibataires l'harcèlement n'a pas de genre en fait c'est tout simplement pour toute personne qui décide aujourd'hui de faire ami ami avec tout le monde que tu sois un personnage public que tu sois que tu défendes une campagne que tu sois syndicaliste ou une personne lambda en fait tu n'as pas à vouloir être ami avec tout le monde Aujourd'hui, si ton audio fuite, tu sais avec qui tu avais fait ça. Tu as tes preuves. Tu vas, tu vois la juridiction compétente. Tu leur montres. On appelle la personne et si elle doit aller en prison, elle va aller. Non, avec moi, c'est sans pitié, franchement. Parce que si tu tolères ça aujourd'hui avec ton proche, Demain, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout proche de toi qui va le faire. Ce n'est pas une question de bloquer ou bien de supprimer, non. Il faut aller, on est dans un pays de droit. Il faudrait aller devant la juridiction compétente. Tu expliques ton problème, on règle ce problème et ça va servir. C'est comme en Hausa, je ne sais pas comment on dit. Euh, Anaba Gawakashi <laughs> C'est comme ça en fait. Donc si tu fais peur à quelqu'un, demain tu viens, tu expliques que tu as eu tel problème avec telle personne, quelqu'un, je vous promets, ne va même pas se hasarder à te le faire. Alors, Rachida, je reviens vers vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons particulières qui euh, se répètent dans des cas de harcèlement, des raisons pour lesquelles on peut harceler une personne les raisons qui poussent à harceler dépendent aussi de l'activité de la personne. Parfois, vous, vous décidez juste de créer un compte parce que ça vous plaît de montrer votre vie. On parle d'influenceuses. Il y en a des influenceuses qui, parfois, c'est euh, elles font mode, elles, font, euh, elles, elles, voyagent, elles ont ce besoin-là d'être vues et de commercialiser des choses des gens ou bien de, de faire montrer leur vie même personnelle. Mhm. Donc, euh, ça dépend de, de, ce que fait la personne et les harcèlements aussi dépendent de ce que fait la personne. Mhm. Parfois, juste vous publiez votre photo, il y en a qui, ça leur donne le droit de vous, de vous écrire bébé, mon amour, ma chérie, sans savoir que vous êtes une femme mariée. Il y en a qui, vous publiez votre produit, et c'est pour critiquer le produit qui les amène là-bas. C'est juste pour dire que c'est de mauvaise qualité ou bien euh, euh le, les produits Sans peut-être même l'avoir jamais utilisé. Justement. Rabi, je reviens avec, vers toi. Rabbi, Rabi qui a gagné qui. Saboda mine ne aka fi matsa mutum akan yanar gizo. To kamar yadda dai suka gayi ne abubuwan suna da yawa. Wata rana kuma wallahi babu dalili. Kawai mutum ta nuna mishi dai ne ya yi saboda gani yake yi yana da ikon ya abin da ya ga dama in kai magana ya ce waya shi ce kuma data ma ta shi ce. Mm-hmm. To yanzu shi ne matsala. Amma mahi yawancin yawa ni a gani na a daidai abin da na samu a rayuwata da mazan da matan kowanne ana arselan shi. kuma sai ka ga mace in ka ɗauka misali maza su yi arselanta matan ma kuma su yi arselanta tunda ni ni ni ga nauce ba yau ba saman facebook akwai messenger ni ya yi shekara shida na yi hidda messenger cikin wayata saboda ba ni man cewa wata rana wata mace mai ɗan karan kyau in kin ganta kamar mutum ne kirki ta matsa ta matsa tana ta mini message kullun sai ta mini message sai na ce mata to ko tana mun san juna an yi wani college haka tare an rabu an jima ba a ga juna ba muka yi wani presentation da aka gaisa muka fara ishanje muna gaisa dai muna laya laya laukin wani laya irin wannan cikin mutunci yanzu da aka kwana biyu sai ta turo mini hoton tsiraici nata na kanta to sai aka yi katari irin matan gane masu son mata yan uwansu mahar ma kawai da na gama abin tunda ni wallahi da ka tsaya ka yi ta wani cece ku ce caca baki da wani har ya imaninka gara kai kai na sabke wuya na gizo-gizon gaba na na huta sai kuma gare ku bra suleiman ku a ganin ku saboda menene aka yi matsa ma mutane akan yanar gizo eske akwai wata manha daban wadda saboda ita aka yi shan mutane kai wallahi manuhal ko ku ce manuhohin suna da yawa kamar ya danganta da hulɗar da gare ku da da kake yi mafi yawa da mutum akwai wanda bisa kan wani zance baya iya gaya maka wasu abubuwan sai ka ga ya fake da wannan yanar gizon tana ma wanda kuke tare da shi amma ya yi kireyen wani kwanta daban wanda ba da sunan shi ba ya laɓe daga wannan bayan kilabiyokin nashi na ornatar ko na telefon shi ya rika cin zarafinka gaskiyar da ya gaza kuma wani a gamu da shi a nan gurin ayi gashi na muna zaune muna muhawara sai in laɓe nan da bayanta ko kuma in rika gaya mata i kazan wane misali in ka ɗauka harka ta misali mata tana wata hoton da ta sama ko ta samu wani aiki ne ko ta samu wani mukami ne ko kuma da ta yi zancen tana yayewa da wani partner ne tana da ONG kinta ko association suka samu dan finan sama kenan wata ita take gani ita ce activism alimentar ne paske sun samu dan finan sama kenan su sun ci gaba sun samu kuɗi kenan ana iya cewa tunda abu ne mutum yayi da niyya tana yawa wani kyashi ne wani bin huzuni ce wani bin mutum kai dai in aka ce abu ne dan a kuntata maka ne kenan wannan niyyar ta danganci da shi abin da mutum yake ya sa a cikin kanshi a gare ka yanzu da ta yi zancen tsautsayi kwanakin baya da aka yi wannan abin al'ajabi a wata jiha na wannan ansayin tikin malawa yo ita wanda aka ɗauki hotonta aka ce ita ce wannan ansayin tikin aka yi ta yawo da ita cikin facebook da wazaf sai da ya zama na wata tantikinta tana yawo a cikin wazaf tana cewa ta ce gata a cikin birnin garin da magaram take ga talagwalkin da take ga shi informatik take me take yi ga ta nan a gida take duka irin wannan abubuwa ne wanda suke faruwa wanda inda doka za a je a diba ta wannan cyber criminality kenan a video conference kin duka da da kai yaɗawal da kai wanda ka ci abi da confess king da duka wannan dokal bisa kan luwasin las birik note ta ka ta yi zancen kuma ta ya adadin yanda doka ya kamata ta bugi shi wanda ka ya maka abi da confess king To kafin dai mu tsunduma a cikin ita wannan dokar Bira Suleiman bar mu saurari wannan faifan namu tun da dama kun san ita fadar tamu muna yi ne muna shakatawa. Yau za mu saurari faifan stromaye mai lakani da Carmen wanda ya fito a shekara ta 2013. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi. Comme ça consomme comme ça consomme, Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, comme ça consomme, somme, somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, comme ça consomme, somme, somme, L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez, voulez-vous des sentiments tombés du camion L'offre et la demande pour unique et seule loi. Regarde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi. Regarde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Regarde à toi. Si tu t'aimes. nan mu na tusala fada fadar ta mu tayo kamar yadda kuka sani mun da zango ne a wannan filin na shato an filin shakatawa bakin mu yau muna tare da Rabi Baby Sha muna tare da Babs Magaji Rashida Bizo da kumbura Suleiman. Mun dawo a cikin shirin namu kuma za mu ci gaba da wannan tambayar. Ku yanzu a ganin ku tun da ku duka na san kun taba jin ita wannan dokar wadda de l'article 28 à l'article 32, la loi sur la cybercriminalité adoptée au Niger le 25 juin 2019, on parle des sanctions prévues dans différentes situations de cyberharcèlement. Les sanctions, ce sont des amendes, ce sont des peines d'emprisonnement. a Est-ce que sun isa wajen kawar da ita wannan ɗabi'ar ta cyberharcèlement? To wallahi, ce in ana kamar aka a yi ta a bi ta daidai gwargwado to matsala abun yanzu aka ɗauka kamar facebook Karshen ta mutunan ba ma shi bane kamar information kin da ya bada saman kan shi ba na gaskiya bane to irin mutanen nan ta ya za a yi a samo su ha a hukunta su bisa kan arsalaman kin da suke ma mutum kun gani nan da wuya kenan doka ba a yi rubuta ta kadai bane a ce a shi kenan ba ya kamata a ce an bi diddigin abun mm-hmm. ha a ga har iya ina abun zai iya tahiya in kai abu ka san da ko kasan kasa ka shiga ana iya hido ka inda hali kaman yaran gani suka yi bidiyo na batsa tsakankanin su ne wani gurfi ne gare su to yanzu da a ce aka kama duka mutanen nan da suka samu ba su rike ba suka yayyada aka kama kowa cikin su ana ta da tsakuwa dan aya ta tsoro kenan da an yi wannan da an yi maganin abun aka yi kwana biyu shiru zancen ya wuce yarinya har ta nemi ta kashe kan kun gani ku ai wannan da a ce dokar dai ta tsaya tsakani da Allah an yi aiki bisa da an kwato mata incinta Et Rachida, je reviens vers toi. Est-ce que tu penses que cette loi à elle seule pourra suffire pour y remédier Pour que la loi puisse euh, suffire ou pour que cette loi puisse être euh, invoquée par le citoyen qui suppose que son droit est lésé, il va falloir que ce citoyen-là puisse connaître la loi. Alors que vous savez très bien que les lois sont faites, mais pour les vulgariser aussi au Niger, c'est autre chose. Euh, quelqu'un qui ne connaît pas qu'il a un droit ne peut pas réclamer son droit. On préfère que quand la personne te harcèle, le bloquer plutôt que d'intenter une action contre cette personne. Vous allez vous dire que ça va vous prendre beaucoup de temps et puis euh, voilà, c'est une perte de temps. Vous faites de quelqu'un un exemple pour les autres à venir. Mais on voit que c'est des choses qui se font et comme on est au Niger, les gens ne dénoncent pas, les gens ne, ne, réclament pas leurs droits, on laisse faire. Merci Donc moi beaucoup, je pense qu'il faut encore vulgariser, il faut encore sensibiliser parce que c'est tout ce que nous pouvons faire en tant que citoyens. Merci. Alors je reviens vers vous, Bras Est-ce que vous pensez que eh, luwakin ta biskan siber criminality ku a ganin ku tana isa ita kadai domin kawar da ita wannan ɗabi'ar ta siber harcèlement kusan shi juju mai shari'a din inda yake ya ce a turanci nil ne sanse in la loi ita doka in aka yi ta a ƙasa ka sani ba ka sani ba lokacin da aka ta gurin shari'a shi juju bar ruwan shi shi a fa'intar taushe ko ka a cikin dokar shi a matsayin ka na ɗan ƙasa daga lokacin da aka ɗauki wannan dokar a wajen gwamnati ko a wajen majalisa wannan doka kowa ya kamata a ce ya santa kenan akwai abu biyu da ya kamata a yi abu biyu na farko shine wannan zancen bilgarization kinna. dan nijar kin da yake nan da wanda yake dirku da wanda yake ayyar da wanda yake ina ne duka bilma ina ne duka ya kamata a ce wannan dokal ta bisa kan luwa sula ko da wasu sauran dokoki na kasa a ce an samu an fayyace musu su yanda ya kamata daga artikin na fara har zuwa na karshe ga shi wannan dokar abin da ta kumsa kenan in 'yan kasa suka fa'inta a lokacin da aka ci zarahinka ko kuma aka yi wani abu wanda kake ga ayan kai bai kamata ba sai ka tafi gurin shari'a ka kai kara ka ce a hudo mini hakina kenan a lokacin nan babu zancen kama kame zai sa a kiyaye wannan abubuwan da doka ta kumsa kenan kai kanka ka san yau in na ciwa rabu zarahi na san da in na tahi banda kasan da zan yi ya kai miliyan biyar ta aman da zan hudu in bada ina na ga wannan miliyan biyar ka sayi portable salula a jika goma ko jika goma sha biyar an zo kayan kashi da an kai gurin juji ka ce kai ka su kuma a baka ka bada daga miliyan ɗaya zuwa miliyan biyar ina ka ganta wani kuɗin kenan wannan abubuwan guda biyu ina ina ganin in aka yi su wallahi wani ko an ce ya zagi wani ko ya tura wani audio ma c'est 35 minutes d'échange, de partage et aussi de chroniques. Donc on accueille Mr Olivier pour sa chronique du jour. Amis auditeurs et auditrices, chers amis de la Fada, bonsoir. Cette semaine a été mouvementée par la situation malienne. Des sanctions de la CDAO à la condamnation de l'État malien en passant par les débats à l'Assemblée générale de l'ONU une chose est sûre, cette semaine, le Mali a été au cœur du débat ouest-africain et je dirais même au cœur du débat international. Comment les réseaux sociaux impactent sur la crise sociopolitique malienne, c'est de cela que nous allons parler dans la chronique de ce soir le pouvoir des réseaux sociaux dans la légitimité des actions politiques a été bien observé cette semaine. Que ce soit sur Facebook, Twitter ou dans les groupes WhatsApp, les analyses des internautes ont nourri les débats sur les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les positions de la junte militaire au pouvoir au Mali. Amis auditeurs et auditrices, cette semaine, sur les réseaux sociaux, des informations, il y en avait. Oui, il y en avait des vraies et aussi des fausses qui ont circulé sur la situation malienne. Et justement, c'est sur ce point que nous allons nous appesantir. En ces temps de crise politique sécuritaire, la communication est devenue une arme de guerre. Alors, chers amis auditeurs et auditrices, ne tombez pas dans le piège de la manipulation. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte sans vérification profonde. Dans une situation de sécurité, l'essentiel n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort, c'est surtout d'avoir la paix et le développement. Et d'ici là, portez-vous bien. À demain pour une nouvelle chronique. Et comme toujours, je finirai en vous disant tout simplement paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. Et eh oui, les amis, la fada, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous d'être venus sur notre plateau. Ce soir, on était avec Rabibou Boubakar Suleiman de Bisha. On était avec Babs Magaji, Bra Suleiman et Rachida Bisou. Ce qu'on retient donc de notre fada d'aujourd'hui, c'est que si le harcèlement persiste, c'est parce que les gens n'ont pas tellement connaissance de la loi sur la cybercriminalité qui réglemente ce secteur-là. Merci, chers auditeurs. Le programme continue sur Studio Kalangu. Restez en écoute.